avec 6 points et Azak Denjambour euh, qui n'a que 2 points. Tir, attention à ce tir. Golgi bi euh, fente On mu euh, tir de baax qui a occasion bu c'est attention ballon perdu attention à ce tir instant bu dóor oh, oh, oh. la balle qui frôle le poteau donc Mungok bal euh, si tànk euh, zone Seneb si ba xam da koy doon mu ngi rejeté moo ba arbitre avantage arbitre bayna avantage ba xam nañ koy continuer lan lay joxe centre attention ballon contré par la défense par la défense euh, de GFC mais ba bal si tànk zone Seneb mais Guédiawaye il défend très bien mu à la passe ba profonde da koy attention contré Nabal ah, attention ballon taclé en corner Mungo joue joué attention suivre le à la tête attention Ballon de barbi Barbe, la donc euh, tête mal ajustée donc euh, ballon perdu par Samuel Sarbon Mungo Gedja et Diallo qui fait la passe en profondeur pour sa base qui tire c'est dans les bras dans les mains euh, du gardien donc suivons suivre coup franc suivre coup franc bi ab droite ñaari droite ñoo taxaw si kanamu bal bi mu balbi. Euh, le numéro 15 il nag ak euh, waaj ballon tiré attention c'était bien tiré quand même lucarne euh, droite bi la doon jéem wër attention coup franc tiré au premier poteau mais capté par le gardien ñu xool bal bi ak waa Seneb joxe attention de koy retiré ballon deuxième égalisation égalisation pour Sedeps de Thiès Sedeps de Thiès euh, qui vient d'égaliser le euh, but marqué à la 72e minute mu ngoog qui revient au score donc on dit partout ici au stade Maniang Soumaré de Thiès entre le de et et Gedo FC. Donc le euh, qui égalise. match bi parce que je bi nga ne ngeen doon gis ni euh, da koy marqué à la 72 e minute synonyme euh, d'égalisation attention Guédiawaye qui essaie de jouer en profondeur Mungoga attention à Yaya Kamara ballon de Yaya Kamara Fall centre attention ah, et eh, quel but quel but de Mahmoud Diallo Mahmoud Diallo qui marque le deuxième but euh, de Guédiawaye FC ballon très bien exploité par le joueur de Guédiawaye FC qui mène encore au score. Bidon Mamoud Diallo, le numéro 7 euh, du Guédia FC. 5 formes du match. Bon mot de ngeen di Diallo juste à la 76 e minute de jeu donc euh, Guédiawaye euh, mon mené encore gannaaw bi nga xamee ni euh, ñii di mooy CNEPS euh, jotoon nañ égaliser à la soixante-treizième minute ñeenti simili képp lañ si teg euh, Guédiawaye ñëwaat dugalaat beneen bi si stade Maniang Soumaré bu Thiès mu ngoog ne woon naa leen lu ne xaj na si football renu ñambi la fu nekk lay damee donc euh, mon ngoog FC mo ñëwaat score donc euh, deux buts à pour FC attention euh, ballon qui va revenir au milieu donc le numéro 11 moo va bi Cheikh Diouf jox nako Fall bo xam day centre bi bo xam da koy koy mais ba euh, perd bal bi joxan nako le numéro 14 Ismaël Sonko lu muy def attention au tir euh, sur le poteau euh, tir sur le poteau de Cheikh Diouf de nouveau entrant MOMODOR BALBINONU. le numéro 9 qui perd le ballon attention attention à ce ballon de Pavay Sabazi qui bute sur le gardien. C'est César dina jëm tout euh, si fait de match bi a égalisé. attention à ce ballon ballon mal ajusté. Yaya Kamara qui a le ballon et faute sur lui. Fait fait du match donc euh, match bi euh, jeex na stade Maniang Soumaré bu